The forum du studio le forum du the forum, the forum du the forum, the forum du the forum, the forum du studio le forum the studio le forum du the Kalamkou the forum du studio Kalamkou le forum du the Kalamkou forum Si vous nous rejoignez en ce moment, sachez que vous êtes sur le studio Kalangou. Auditeurs et auditrices, bonsoir et bienvenue à ce rendez-vous du 18h15 qu'est le forum du studio Kalangou, votre émission quotidienne qui apporte des réponses aux préoccupations des auditeurs sur les questions d'actualité ou de société qu'ils se posent régulièrement. Sachez que vous pouvez désormais suivre à travers nos 31 radios partenaires basées dans tous les chefs-lieux de région et plusieurs localités du Niger les forums à langue nationale, les samedis à partir de 17h15, le forum à Hausa et les dimanches à la même heure celui en Zarma. L'enseignement du bilinguisme, un nouveau défi de l'école nigérienne, c'est la thématique autour de laquelle nous débattrons ce soir. Une langue nationale est une langue considérée comme propre à une nation ou un pays et dont la définition exacte varie selon les pays. La notion se confond parfois avec celle de langue officielle selon également les pays. Les langues nationales sont relativement nombreuses au Niger. Elles font partie de trois familles linguistiques importantes qui regroupent plusieurs langues telles que le Hausa, le Zarma, Sonrai, Tamashek, Kanuri, peu Peul, pour ne citer que cela. La langue coloniale et officielle du Niger est le français et l'enseignement dans les établissements se fait avec le français. Mais depuis des années, plusieurs écoles ont commencé à introduire les langues nationales dans leurs programmes. Ainsi, l'expérimentation de l'introduction l'introduction des langues nationales au Niger remonte aux années 70 avec euh, l'ouverture de la première école bilingue Hausa française en 1972 à Zender. Cette expérimentation se poursuit actuellement dans plusieurs écoles des régions et de la capitale. Quelles sont donc les raisons de l'introduction des langues nationales dans les écoles Comment se fait l'expérimentation du bilinguisme dans les établissements Quelles sont les langues nationales utilisées Quelle importance dans le système éducatif Quelle avancée le bilinguisme a apporté dans le système éducatif du Niger Autant de questions auxquelles nous tenterons de répondre ce soir. Avec nous dans ce studio, M. Monkela Kobo, conseiller pédagogique à la direction du curriculum de la recherche et de l'équipement des langues nationales. Bonsoir, monsieur. Nous recevons également M. Garba Nahanji, socioplanificateur à la même direction, la direction du curriculum, de la recherche et de l'équipement des langues nationales. Bonsoir à vous. Merci, bonsoir. Et merci d'être venu. rentrer dans le vif euh, du sujet, je donne tout d'abord euh, la parole à Monsieur Munkei Lakobo. Dites-nous d'abord euh, qu'est-ce qu'on entend par bilinguisme. Bien, merci Madame. Et qu'est-ce que nous entendons par bilinguisme C'est l'utilisation de deux langues dans le processus d'enseignement-apprentissage. Pour le cas du Niger, par exemple, nous avons dix langues nationales. Et parmi ces dix langues nationales, eh, nous avons commencé à enseigner dans euh, les cinq langues nationales, les premières langues nationales équipées, à savoir euh, le Hausa, le Jarma, le Songhai Jarma, le Tamachek, le Fulfulde et le Kanuri. Mm. À côté de ces langues viennent, vient le français. Donc pour ce cas-ci, nous disons que nous faisons du bilinguisme. Français est une des langues nationales. Donc c'est ça le bilinguisme. Donc c'est l'utilisation de deux langues dans le processus d'enseignement-apprentissage. Et donc, euh, comme je le disais plus haut, ces langues nationales ont commencé euh, à être enseignées dans les écoles nigériennes euh, dans les années 70. Et exactement, 70, en quelle année exactement les langues nationales ont été introduites dans le système éducatif nigérien comme vous vous l'avez rappelé, vous avez dit que le processus avait commencé dans les années 70 et plus précisément en 73 la première école expérimentale a démarré dans la région de Zender, où nous avons commencé à expérimenter cet enseignement-apprentissage avec le Hausa et le français. Donc le processus a continué avec les autres langues nationales et à, à travers le pays. Et on a continué, mais il n'y avait pas assez de sensibilisation pour que les populations adhèrent à ce processus, d'enseignement-apprentissage. Maintenant, il a fallu des évaluations conduites dans le système éducatif où on a constaté la baisse vertigineuse de notre système éducatif mhm. pour ramener les langues nationales dans le processus d'enseignement-apprentissage. Et cela se résume à travers plusieurs évaluations, telles que l'évaluation de 2000 conduite par le système d'évaluation de l'enseignement primaire, CEDEP, en 2000, et la conférence des ministres de l'éducation en charge le français, qui avait demandé à ce que tous les pays qui parlent le français revisitent leur processus d'enseignement-apprentissage. Et pour le cas du Niger, on a pensé à la refondation du curriculum selon une nouvelle approche qu'on appelle l'approche par les situations. À côté de cette approche, on a constaté que c'est en français que nous enseignons. Et avec euh, l'introduction du français, on avait vu que euh, vraiment, on n'arrivait pas à atteindre les objectifs du redressement, de l'amélioration de la qualité des apprentissages. Et tous les chercheurs sont aujourd'hui unanimes que pour que l'enfant apprenne correctement dès le premier âge, il faut l'enseigner dans sa langue première ou maternelle, plus le français. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire au niveau de la direction du curriculum et de la... Euh, oui, donc si on comprend, ce sont là entre autres les motivations euh, du gouvernement nigérien donc à travers l'introduction de ces langues euh, nationales. Monsieur Garba Nahanchi, parlant de ces langues, la loi numéro 2001-037 du 31 décembre 2001 fixant les modalités de promotion et du développement des langues nationales reconnaît dix langues nationales ici au Niger. Exactement quelles sont les langues qui ont été introduites Merci, madame. Euh, donc, euh, avant de répondre à votre question, permettez-moi d'abord de vous remercier. Vraiment, c'est un grand honneur que vous nous faites, nous, en tant, au titre du ministère et en, premier chef notre euh, direction qui est en charge de ce programme-là, donc la mise en œuvre du nouveau programme qui, effectivement, qui est basé sur cette euh, innovation qu'est le bilinguisme. je m'en vais un peu revenir par rapport à l'historique euh, que déjà mon prédécesseur avait un peu ébauché. Donc, euh, la première école, effectivement, c'est à Zander, comme il l'a dit, en 1973. Mais surtout là où je vais un peu augmenter, c'est par rapport aux motivations. Il vous a dit, entre autres, depuis 1973, effectivement, nous sommes en train, c'est ce qu'on appelle les écoles expérimentales. Dès que vous dites école expérimentale, c'est une école où on fait les deux langues, le Hausa et le français, le germain ou le français, parce que c'est les deux. Mm. C'est non seulement sur ces deux langues, et depuis 1973, effectivement, comme elle l'a dit, il n'y avait pas eu assez de sensibilisation, mais le, fond, problème fondamental, c'est qu'il n'y avait pas eu de débouchés. Nos enfants qui étaient au primaire, lorsqu'ils viennent au CM2, à partir du CM2, c'est fini. Ils abandonnent le bilinguisme, ils reviennent dans ce qu'on appelle le cycle, traditionnel. Donc il n'y avait pas de CEG expérimental. Il n'y avait pas de lycées. comme au franco-arabe. Aujourd'hui, quand vous faites le franco-arabe, vous venez au CG, il y a un CG franco-arabe, vous continuez. Vous avez un lycée franco-arabe, vous continuez. Vous avez des lycées. Malheureusement, de l'autre côté, il n'y avait pas ça. Donc, pour couper court, il l'a dit. Maintenant, à travers la communauté internationale, nous avons dit que toutes les études ont démontré que l'enfant ne peut pas apprendre convenablement avec une langue d'autrui. On ne peut pas continuer, nous, ici en Afrique. Faites un tour à travers le monde, vous voyez parmi les nations qui se disent aujourd'hui avancées ou développées pour, pour utiliser le mot. Est-ce qu'il y a un seul pays développé qui continue à éduquer ses, euh, sa progéniture dans la langue d'autrui C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un seul pays au monde qui est riche, qui est développé, qui forme, qui enseigne ses enfants dans la langue d'autrui Donc nous, on dit, au-delà de ce qu'il a dit, c'est aussi une affirmation culturelle, une affirmation d'identité. Il faut que nous fassions revaloriser nos cultures. et on ne peut pas le faire sans qu'on ne revalorise pas nos langues. Et pour les revaloriser, il faut les enseigner dans nos écoles. Donc voilà, entre autres philosophies, qui a sous-tendu un peu cette euh, idée du ministère pour aller maintenant asseoir les compétences de base au primaire, à langue nationale. Maintenant, progressivement, l'enfant verra des choses en France. Maintenant, pour ce qui est des langues, convenablement, comme vous l'avez dit, euh, outillés. C'est-à-dire, nous, on les dit euh, des langues outillées ou des langues équipées. Mm Ceux-là qui ont un alphabet, qu'aujourd'hui, certains paysans ou certains linguistes, pas, pas certains langues des linguistes, peuvent les parler, peuvent les écrire sur d'abord le Zermasongay, comme elle l'a dit. Nous avons le Tamashek, nous avons le Hausa, nous avons le Fulfulde, nous avons le Kanouri. Ça, c'est les toutes anciennes langues qui étaient, depuis longtemps, elles étaient équipées. On, les, ont formé même nos, parents en alphabétisation à travers ces langues-là. Maintenant, à côté de ces cinq-là que je vous en ai parlé, il y a les trois autres, tout récemment, elles aussi, elles sont équipées. C'est le Goulmanchama, le Toubou et le Boudouma. Elles sont toutes enseignées elles, elles, seront enseignées, mais pour le moment, elles sont équipées. Nous allons à la rentrée très prochainement identifier quelques 20 écoles par ces trois langues-là que je vous ai données, le Boudouma, le Goulmanchama et le, et, et le Toubou. Pour eux aussi, qu'on enseigne les élèves dans, dans, dans ces langues-là à, à cette rentrée. Maintenant, sur les dix langues qu'il vous a dit, les seules langues là où nous n'avons pas de spécialistes pour les équiper, c'est le Tassaok. Le Tassaok, c'est la langue qui est parlée à Ingal. c'est dans la région de, d'Agadez. Et même à Agadez, ce n'est pas dans tout Agadez qu'on parle le Tassaok. Le Tassaok mm. n'est parlé qu'à Ingal. Mm. Et même à Ingal, il n'est pas donné à n'importe qui de parler le Tassaok. Mm. Donc ça, nous avons une difficulté. Nous n'avons pas de spécialistes. Nous n'avons pas de linguistes pour équiper cette langue-là. Et c'est la même chose que l'arabe. L'arabe, il faut entendre par l'arabe, l'arabe nigérien. Cet arabe-là qu'on parle à Tilia, cet arabe-là qu'on parle à Tassara, à Tesker, bref, dans toutes les communautés arabes, c'est-à-dire l'arabe nigérien. Parce que l'arabe qu'on continue à faire aujourd'hui, c'est l'arabe du franco-arabe, oui, tel qu'elle est enseignée actuellement, qui nous vient de Qatar, qui nous vient de l'Arabie saoudite, qui nous vient de la Libye, etc. Donc voilà les deux langues, pour le moment, l'arabe nigérien et le tassaw qui ne sont pas équipés. Mais les autres, les cinq là que je vous en ai parlé, déjà, nous sommes pleins là-dedans. Les trois, elles vont venir à cette rentrée. Donc déjà, nous aurons huit langues concrètement. Donc euh, qui seront enseignées donc, euh, dans nos écoles. Monsieur Moukela Kobo, euh, donc ces langues qui sont enseignées aux primaires, c'est du CI que, que ça démarre. Donc exactement, concrètement, comment ça se fait Nous avons dit que aujourd'hui, pour améliorer la qualité des apprentissages au Niger, il faut que nous commencions les apprentissages dans les langues maternelles ou premières de l'enfant. L'apprentissage, l'expérimentation, nous sommes en train de la conduire au niveau du préscolaire, de la première année du préscolaire, pour aller jusqu'au euh, au CM2. Mais comment est-ce qu'elle se fait Par exemple, au préscolaire, les apprentissages vont se faire en langue nationale ou langue première de l'enfant. Ils vont se faire dans la langue maternelle ou première de l'enfant, c'est-à-dire la langue maternelle ou la langue la mieux parlée par l'enfant. Si c'est le germain, c'est en germain qu'on va lui faire les apprentissages. Et des outils ont été produits en conséquence pour faire les apprentissages par rapport à ce type d'enseignement. Donc nous avons fait l'expérimentation d'abord, nous l'avons commencé au CI. Ensuite, ces enfants de CI ont passé au CP. Ces enfants, cette année, avec l'expérimentation, ils sont au CE1. E mhm. Et les apprentissages sont conduits dans les langues nationales, les toutes premières qui sont les cinq langues nationales équipées. Donc l'expérimentation est en train d'être faite dans ces cinq langues nationales. Par rapport au CI, comment est-ce qu'elle se fait D'abord, les apprentissages sont faits en langue maternelle, à l'écrit. Ils vont faire lecture, écriture, calcul dans la langue nationale. Mhm. Et ensuite, ils vont faire le français à l'oral. Donc c'est un apprentissage oral. Maintenant, quand ils vont arriver au CP, ils vont faire la langue maternelle, la langue nationale en France, à l'écriture, lecture et calcul, et à côté, ils vont faire le français lecture, écriture, calcul. Donc, à, partir du CP. Donc, à partir du CP, nous avons aussi élaboré, en même temps que nous avons élaboré des outils dans les langues nationales, nous avons aussi élaboré des outils en français. Et cet outil en français va, va être lecture, écriture et oral en français. Quand on va arriver au CE1, ils vont faire aussi la même chose. Il y aura un manuel en français, il y aura des manuels dans les langues nationale. Maintenant, quand il va arriver au CE2, il y a une parité. 50% des apprentissages vont se faire en langue nationale et 50% en, français. Et quand ils vont arriver au CM2, ce serait la tendance inverse. On donnera plus de temps euh, aux Français que les langues nationales. Et les langues nationales deviendraient en ce moment matière. Oui, mais à la date d'aujourd'hui, euh, cet enseignement se limite du CI au CE. Au CE. E. Ici au Niger et à Niamey également, on voit nombreuses sont les écoles euh, dans lesquelles sont euh, enseignées. Quels sont les critères d'enseignement du bilinguisme Comme nous sommes à la phase expérimentale, c'est un choix raisonné qu'on a fait au niveau de, la, de Niamey on a dit, on prend les quartiers, par exemple, on voit la langue la plus parlée dans le quartier, et mm-hmm. on dit, alors, va, voilà, c'est dans telle langue que nous allons créer la classe expérimentale. Par exemple, si vous prenez le cas de Lazare, il y a, il deux ethnies euh, majoritaires, c'est les Hausa et les Jarma. Et donc, nous avons créé deux écoles, une école euh, pour le Hausa et une école pour euh, le Hausa. Et l'expérimentation est en train d'être conduite dans ces écoles. Une fois que l'évaluation va nous montrer que ce processus d'enseignement, apprentissage est performant, ça sera généralisé dans tout le système éducatif nigérien. Mm. Monsieur Garbanahanji, cette expérimentation, est-ce qu'elle se poursuit également en région présentement Madame, L'expérimentation que nous sommes en train de conduire, effectivement, c'est à travers tout le pays. dans un premier temps, nous étions partis avec 501 classes de CI. Parce que des fois, nous disons 500 écoles, mais en réalité, si nous sommes dans une école, ce n'est pas tous les niveaux de cette école-là qui nous intéressent, la seule classe du CI qui nous concerne. Mm. Donc, euh, l'expérimentation a touché l'année dernière, donc si vous voulez, 500 écoles. Et cette année, plus à dû Rien qu'avant-hier, nous revenons de la formation de 10 000 enseignants. 10 000 enseignants, un directeur d'école, un enseignant titulaire de CI. C'est là que, à la rentrée d'aujourd'hui, là, de l'octobre, là, nous serons dans 5 000 classe de CI, à travers tous les pays. Et c'est ce qu'il vous a dit à Niamey, tout comme à Gadez et ailleurs, nous avons des classes, nous avons des inspections où nous avons ces genres des écoles aujourd'hui, où nous avons formé des maîtres qui vont très bientôt effectivement revenir enseigner en langue, en langue, en langue Hausa, en langue selon la localité. Mm. Et là, ce, que je vais augmenter par rapport à ce qu'il a dit, par rapport à votre question, comment ça se fait. En termes clairs, retenez que l'enfant au CI n'écrira rien, ne lira rien en français. Le A que vous allez lui faire écrire, ce n'est pas le A français, c'est le A Hausa. Le A qu'il va lire au tableau, ce n'est pas le A français, mais c'est le Hausa. Soit le Hausa ou le Zarma. Ou le Zarma, ça dépend maintenant. si C'est le, le Agadez, le Tamashek, si en Tamashek il y a la lettre A, le A qu'il va lire, c'est en Tamashek. Qu'il va écrire, c'est en Tamashek. Maintenant, progressivement, comme il a dit, il aura un temps où maintenant la langue ne sera plus le modium, elle sera elle aussi une matière mhm. à côté du français. Mais tout ceci, l'objectif, c'est quoi C'est pour qu'on arrive à lui asseoir les compétences de base, qu'il maîtrise assez. Donc, les notions de calcul, les notions de lecture, les notions d'écriture, peut-être en langue. Euh, avant de poursuivre euh, ce forum, je vous propose euh, d'écouter une enseignante, Madame Amadou Kadija. Elle enseigne à l'école Madina 3, une école dans laquelle ces langues sont enseignées depuis 2009. Nous avons deux langues qui sont enseignées ici. Il y a la langue Jarma et la langue Hausa. C'est le ministère qui a décidé d'enseigner les deux langues ici vu la langue qui est parlée dans le milieu, c'est les deux langues qui sont parlées dans le milieu. Euh, exactement, comment ça se passe euh, l'enseignement de ces deux langues La pratique, c'est depuis le CI. Nous enseignons ça depuis le CI. Moi, j'ai enseigné des élèves maintenant, ils sont au collège, ils sont en classe de troisième cette année, du CI au CEU. Au recrutement, nous demandons les parents de nous informer sur la langue que l'enfant parle à la maison. C'est en ce moment-là, nous mentionnons sur les actes. Si c'est Jarma, nous mettons Z. Si c'est Hausa que l'enfant parle, on met H. Donc, au partage, on n'a pas de problème. Les enfants qui parlent Jarma, ils vont dans la classe Jarma. Ceux qui parlent Hausa vont dans la classe Hausa. Comment se font euh, les cours en classe Nous enseignons les cours euh, par matière. Nous avons plusieurs matières à enseigner en langue et en français aussi. Nous avons son Zarma, la langue en tant que telle. Nous, nous enseignons les matières et histoire, les sciences, les arts et culture, les mathématiques aussi, nous les faisons en, en, langue. Donc, euh, en même temps, les enfants prennent les cours en Hausa et en français En, français, oui. Depuis le CI, ils prennent les cours en français et en, langue. Donc, euh, en français, ils font les dialogues. Il y a les dialogues en germain. C'est pas que le français est exclu, hein. C'est pas que le français est exclu. On fait le français aussi. Ce sont euh, les programmes en français que vous traduisez en langue nationale Non, non. C'est pas le programme en tant que tel. Maintenant, depuis trois ans, cette année, nous sommes à la troisième année, nous enseignons sur le curriculum, le nouveau curriculum qui est instauré suivi par la Banque mondiale qui est partenaire de notre pays. Donc, euh, on a commencé avec le CI, le CP. Cette année, moi, mes enfants, ils sont au CE1. C'est un autre programme en tant que tel. C'est un autre programme hein, et nouveau par rapport à l'ancien programme qu'on a eu à enseigner en 2009. Donc, euh, l'importance de la langue, l'enfant, comme c'est dans sa langue, l'enfant, il apprend mieux, il apprend vite il comprend mieux dans sa langue que dans la langue française. Avant, quand j'enseignais le traditionnel, j'ai des problèmes à, à ce que mes enfants arrivent à mieux comprendre le français et à parler ça. Mais avec le bilinguisme, vraiment, moi, j'ai trouvé que mes enfants, chaque fois, ils sont meilleurs dans l'école. Parce que quand ils vont dans les grandes classes, ils sont les meilleurs dans les classes parce qu'ils lisent mieux que les autres. Avec le bilingue, l'enfant, il lit très vite. Quelle que soit la longueur du, texte, ils vont lire. Euh, le programme, c'est du CI au CE. Et donc, euh, après le e, CE, c'est... Oui, l'approche par les situations. Expliquez-nous euh, cette transition-là. Donc, avant, dans la méthode traditionnelle, il n'y a pas de situation problème. Ici, donc la différence dans les langues, l'APS, l'approche par les situations, vous voyez que l'enfant, dès qu'on lui explique la situation problème, l'enfant déjà, il comprend, il est dans le bain, il sait de quoi il s'agit, quelle est la question du jour. Donc de là, l'enfant, il comprend qu'est-ce que madame va lui enseigner sur la matière à enseigner. Et il comprend vite et la leçon, ça démarre avec une bonne compréhension. Après le CE, les langues nationales sont laissées, c'est le français. C'est pas laissé, c'est pas laissé, mais ça réduit. Ça réduit et le français prend ampleur. Les enfants s'adaptent bien avec ces langues nationales. Oui, ils s'adaptent très bien. Nous avons la langue Elan et c'est Elan qui prend Hausa en charge nous, nous ici. On a Elan Niger et le curriculum ceux qui ont fait la langue, en tout cas, ils ont de très bons rendements. Quand les enfants ils sont à la sixième classe, là, tu vas voir que ce sont eux les meilleurs dans les classes pensez que donc l'introduction des langues nationales dans le système est une bonne chose En tout cas, moi, je vois que c'est une bonne chose parce que moi, j'ai vécu l'expérience avec mes élèves. Vraiment, je n'ai pas de problème. Et les enfants, ils, sont bien. Nous, ici, vraiment, on est satisfait. Je ne sais pas les autres, mais nous, vraiment, on ne trouve pas de problème avec les langues. Parce que les parents, même, ils sont contents. Hein. Il y a beaucoup, même cette année, ils disent ils veulent que leurs enfants aillent dans les classes bilingues parce qu'ils ont vu que vraiment les enfants, ils ont le niveau. Je reviens dans ce studio avec mes invités. Vous venez d'écouter euh, l'intervention de cette euh, enseignante sur la pratique euh, du bilinguisme dans son établissement. Quel commentaire avez-vous à faire, Monsieur Moukela Kobo Merci, Madame. Je suis tellement ému et reconforté par les propos de Madame. C'est une enseignante que j'ai vue en pratique effectivement, ce que nous sommes en train de, faire est en train d'évoluer. Et si nous avons des enseignants de cette nature, l'objectif qui est fixé dans le cadre de l'amélioration de la qualité des apprentissages, elle sera atteinte. vraiment, nous sommes très émus et nous encourageons Madame à poursuivre euh, dans cette lancée-là. Euh, comme il l'a dit, toute notre gratitude à l'enseignante qui vient de témoigner, qui mhm. vient d'éclairer elle aussi, puisqu'elle est actrice parce qu'elle met en œuvre ce que nous, nous élaborons. Maintenant, il y a des aspects sur lesquels moi je veux revenir. Elle vous a dit, quand vous lui avez posé la question, comment ça se passe Effectivement, c'est là, deux fois, un peu où on ne se comprend pas tellement, mm. parce qu'il y a beaucoup de citoyens qui se posent ces questions, mais comment faire Moi, je suis Djerma et j'enseigne à Agadez. Comment on va former mon enfant en langue tamashek ah. Et demain, il se pourrait qu'on m'affecte ou que je, pour des raisons qui me sont personnelles, que je regagne. Dans la pratique, on n'impose pas comme elle l'a dit, c'est à travers la sensibilisation, sur le parent qui choisit. Mhm. Mais dans les, dans les nous avons dit que c'est la langue majoritaire du milieu. Donc la langue là qui est parlée par la majorité de la population, c'est cette langue là, c'est dans cette langue là qu'on va enseigner. Maintenant, l'avantage que nos enfants auront, c'est que eux ils seront polyglottes, si, mhm. si, je peux le dire. Vous allez voir un, enfant germain qui te parle trois, quatre langues. Parce que dans tous les cas, la langue a le dessus au niveau de ces trois premières années, comme elle l'a dit, comme Madame l'a si bien expliqué. Parce que dès qu'il va au CE2, c'est kiff-kiff, 50-50, la moitié du temps en la moitié, euh, euh, en langue, la moitié en français. Mais dès qu'il va au CM, maintenant, le français prend le dessus. C'est là que c'est au niveau des petites classes que la langue a le dessus sur le français. Maintenant, elle a parlé de, des parents. Ah oui, le problème fondamental, effectivement, des fois, les parents ne comprennent pas. Et c'est là où nous interpellons la vigilance de ces directeurs ou de ces directrices d'école pour sensibiliser les parents par rapport effectivement à l'approche. Parce qu'il y a d'autres, on a géré des cas. des enseignants qui recrutent des enfants à la rentrée, mais il suffit que les enfants la commencent à prendre cours une semaine, deux semaines, trois semaines à langue. L'enfant, dès qu'il va à la maison, il va dire Ah, attends, moi, ma madame, ma maîtresse ou mon maître m'enseigne en langue. Et vous allez voir les parents sans chercher à comprendre, elles vont, elles vont venir retirer leurs enfants de la classe là ou bien carrément de les changer d'école. Bon, là, nous disons qu'ils n'ont pas compris et nous sommes là-dessus pour aller rencontrer maintenant la frange de la population pour leur expliquer les tenants et les aboutissants aujourd'hui de, de, ce que le ministère, ou d'une manière générale, parce que ce n'est pas aussi le ministère, c'est un choix de l'État. C'est que l'État maintenant, pourquoi l'État à aller dans ce sens. c'est reconfortant ce qu'elle a dit et plaise à Dieu avec eux, donc eux en tant que maître euh, maîtres du terrain, plus nous autres qui sommes de l'autre côté, on va euh, sûrement porter donc le bateau au port. Oui, euh, toujours dans son témoignage, deux mots, nous avons retenu deux mots, à savoir le curriculum et l'élan. Monsieur Monkele Kobo, pouvez-vous un peu nous expliquer de quoi il s'agit Le curriculum est un système éducatif ce que la Constitution est pour un pays. Mhm. Notre système éducatif est régi par le curriculum, les orientations, les programmes et les modules de tout ce qui entrent dans le cadre de l'amélioration de, de, la, qualité des apprentissages sont contenus dans le curriculum. Mhm. Il donne les grandes orientations du système éducatif. Donc c'est ça le curriculum. Donc le curriculum, c'est un tout pour un système éducatif. Il comprend les programmes d'études, les programmes de formation, etc. Jusqu'au profil de sortie des apprenants. Il mm. comprend tous ces aspects jusqu'au régime, le nombre d'heures, la masse horaire. Donc tout ça là est inclus dans le curriculum. Ensuite, et là, c'est école langue africaine. Mm. C'est une expérimentation qui est en train d'être conduite par euh, un projet pour voir comment est-ce que nous allons valoriser nos langues nationales dans le cadre de l'enseignement apprentissage. C'est ça qui école langue nationale. C'est dans quelques écoles qui sont en train d'expérimenter ça. Je crois que c'est la, c'est la région de Tawa. Et c'est une expérimentation conduite par, euh, par un projet. Mais tout ce est en train de faire est là de positif sur le curriculum qui va le prendre en charge pour essayer de produire des outils en conséquence pour e- atteindre les mm. objectifs de l'amélioration de la qualité des apprentissages au, Niger. À la date d'aujourd'hui, c'est le système du curriculum qui est utilisé. le curriculum, il est propre au pays. Mhm. C'est, je te dis, comme c'est la constitution pour le système éducatif. C'est le mhm. curriculum. Tout est régi par le curriculum. Vous évaluez aussi le, travail des personnels enseignants ou inspectez les personnels enseignants. Alors, sur le terrain, quel constat vous faites sur l'état d'avancement de cet enseignement à la date d'aujourd'hui Bien. Depuis que nous avons commencé le processus de la réforme, avec le bilinguisme, l'introduction des langues nationales, avec le nouveau curriculum, vous avez entendu, madame, dans son témoignage, elle avait dit qu'elle elle officiait dans un ancien programme, le programme de 87. Mais à partir de 2003, nous avons commencé à élaborer un nouveau curriculum. Et ce nouveau, avec ce nouveau curriculum, nous sommes en train d'évoluer. Et à cette date, nous sommes à la troisième année de l'expérimentation. Donc avec ce programme-là, eh, nous sommes en train de voir comment est-ce que nous allons évoluer dans les autres sphères. Donc avec ce curriculum-là, nous avons fait des activités de formation. D'abord, nous avons conçu les outils. Nous avons, une fois les outils conçus, nous avons passé à la formation des enseignants. Nous avons formé les enseignants, nous sommes allés les voir comment est-ce qu'ils officient dans leur classe par rapport à ces nouveaux programmes et les, mm-hmm. aspects didactiques. C'est ce que nous sommes en train de voir, nous sommes en train de faire. en même temps que nous avons formé les, les enseignants, nous avons aussi formé les encadreurs terrain par rapport au suivi de la mise en œuvre de cette euh, de ce curriculum. Monsieur Garpanahanti, euh, est-ce que euh, vous rencontrez des difficultés dans, la mise en œuvre de, de ce système éducatif Vous rencontrez des difficultés sur le terrain Ok, merci. mais permettez-moi de revenir par rapport à la question que vous avez posée à mon collègue, par rapport aux inspecteurs. Et ce que je vais augmenter sur ce qu'il a dit, nous avons conduit deux évaluations. Il y a une évaluation interne. Tout récemment, nous nous sommes retrouvés à Maradi avec tous ces inspecteurs-là et les quelques enseignants qui ont mis en œuvre il y a de cela deux ans ces manuels-là pour les passer au peigne fin. C'est-à-dire mm. faire une autocritique. J'étais un regard sur chaque manuel. Ça, par exemple, vous avez dans, dans ma main un manuel de mathématiques. Mais il est en chaque celui-là. Voyez-vous Donc, on a passé au peigne fin tous ces manuels-là qu'on a édités pour dire aux inspecteurs-là, pour demander à ces enseignants-là, mais qu'est-ce que vous reprochez Qu'est-ce qui ne va pas à l'intérieur de chaque manuel mm. considéré Qu'est-ce qu'il faut augmenter Qu'est-ce qu'il faut rétranger ce Bref, ils nous ont donné leur critique et nous sommes retrouvés à Dosso pour intégrer maintenant les observations, les issues de l'atelier du maradi. Ça, c'est évaluation interne. C'est entre nous, Nigériens. Maintenant, nous avons encore demandé une critique d'un œil extérieur. Nous avons encore soumis ces mêmes manuels-là à une consultation. Donc, on a donné une évaluation externe, un cabinet burkinabé a l'étude. Et je vous avoue, les résultats de l'étude à langue, c'est nos comment, comme disent les Anglais. À langue, 90% de ces élèves-là sont bons. Maintenant, là où il y a des choses à revoir un peu, c'est-à-dire à renforcer, c'est en mathématiques. C'est en mathématiques. Donc, au moins, c'est rassurant. cest là dire que, avec euh, peu de chance, si on renforce les acquis des enseignants d'abord, parce que avant d'avoir de voir l'élève, il faut voir d'avoir de l'enseignant. Donc, si on renforce les acquis de ces enseignants-là en mathématiques, c'est là que les enfants-là, d'ici quelques années, effectivement, seront eh, un, bon, produit. Maintenant, par rapport aux difficultés, les difficultés, nous sommes sur une réforme, les difficultés ne manquent pas. Et la première des difficultés, ça, il ne faut pas se le cacher, c'est d'abord les manuels. Nous avons écrit des manuels, jusqu'au seuil, hein, comme la bonne dame vous l'avait dit. Mais très malheureusement, comme c'est un travail, si vous voulez, à la chaîne, nous nous concevons. Maintenant, le fait que ces manuels-là soient dans les classes, c'est encore un autre niveau de responsabilité. Malheureusement, si on a des difficultés, les, principales des difficultés que nous nous éprouvons, c'est la sortie de ces manuels-là en tant que Parce que quand vous allez chez nous à la direction de conception, ils sont là dans nos ordinateurs. Mais ils ne sont pas là sous cette forme dans les écoles. Mais comment les enseignants vont enseigner C'est pourquoi nous sommes là. La direction là, elle est en train de, bousculer elle aussi. Les autres directions sœurs, parce qu'il faut le dire, qui elles aussi, c'est de leur responsabilité pour que ces manuels-là soient édités, imprimés et être au niveau du terrain pour que les enseignants et les élèves puissent les utiliser. Donc mhm. la principale difficulté pour le moment, c'est ça la disponibilité. Mais les moyens, Dieu merci, et ça va. Le ministère, quand même, à travers donc le PAEC, il fait de son mieux et nous sommes, euh, nous sommes allés, nous sommes en train quand même de le conduire comme prévu. l'expérimentation de l'introduction de ces langues nationales au Niger remonte aux années 70 et monsieur Kobo, vous l'avez affirmé, c'est dans les années 73 que les langues nationales ont commencé à être enseignées ici au Niger. De 73 à la date d'aujourd'hui, est-ce que les résultats issus du, bilinguisme sont satisfaisants selon vous Merci madame. Donc au démarrage de l'expérimentation, il y avait une cohorte d'étudiants, d'élèves qui ont commencé par ce système bilingue qui ont évolué dans le système éducatif nigérien et aujourd'hui qui sont devenus des personnalités. Et si par exemple on, regarde parmi les cadres du, Niger, vous allez trouver des docteurs, des aviateurs. Dans tous les secteurs éducatifs, vous allez trouver des gens qui suivent de ce système. Mais pour ce qui est de la nouvelle approche, du nouveau curriculum que nous sommes en train de mettre en œuvre, et tout à l'heure le collègue vous l'a rappelé, il y a eu une évaluation qui a été conduite entre les deux ordres d'enseignement, le traditionnel et le, et le, et le système bilingue. Et les résultats de l'évaluation externe ont montré que les élèves qui sont en train d'évoluer dans ce curriculum, ce nouveau curriculum-là, sont plus performants que, les... élèves du traditionnel. Euh, vraiment, le résultat dépasse nettement ceux qui sont ici du système traditionnel parce que les apprentissages sont faits en langue première ou maternelle de l'apprenant. Et on dit que l'enfant apprend plus dans sa langue que quand c'est une autre langue qu'il ne maîtrise pas. Parce que d'abord, il faut d'abord qu'il apprenne la nouvelle langue pour essayer d'évoluer dans, euh, dans, dans, les apprentissages. Déjà, en venant à l'école, il dispose d'un capital de ressources. Par exemple, ceux qu'il connaît, connaît déjà en langue maternelle, déjà il, il, vient à l'école, il approfondit ses apprentissages. Et par rapport à, donc à euh, l'évolution du système, aujourd'hui, le collègue vous a rappelé qu'on est parti de 500 écoles euh, ou bien 500 classes. Aujourd'hui, nous allons être, nous sommes à 5000 écoles pour la rentrée 2017-2018. Donc, petit à petit, ça évolue. Et les premiers outils ont été évalués, comme il l'a dit, et ils ont été corrigés. Et c'est ce qui fait qu'il y a une certaine lenteur dans la dotation des écoles euh, en support didactique. Nous pensons et nous avons euh, la garantie que d'ici fin novembre, presque tous les outils seront dans les différentes écoles donc, c'est ce que nous sommes en train de faire. Le processus est en cours et vraiment, il y a des avancées significatives dans le cadre de la mise en œuvre de, cette réforme. Est-ce que vous avez des exemples d'anciens élèves qui jouissent aujourd'hui de cet enseignement reçu Quand nous avons mené l'étude au démarrage où on disait qu'il faut introduire les langues dans le processus d'enseignement-apprentissage, les autorités de l'époque nous ont dit est-ce que en amenant les langues maternelles ou les langues nationales dans le, processus d'enseignement-apprentissage, est-ce que nous pouvons former des cadres mhm. Est-ce que nous pouvons avoir des cadres qui seront compétitifs sur le plan international Nous avons fait des recherches des enquêtes et nous avons identifié un certain nombre de cadres issus de ce système. Par exemple, je peux vous donner un exemple, par exemple celui de clinique euh, Soho Labola il est issu, de ce système. Il y a un docteur à maternité poudrière, il est issu de ce système. Il y a un cadre supérieur qui est au niveau de la, des services de météorologie, il est issu de ce système. Il y a tant d'enseignants aussi qui sont issus de ce système, système. qui sont aujourd'hui des cadres du Niger parce qu'ils ont commencé les apprentissages dans leur langue maternelle. Donc, ceux qui sont en train de faire dans les langues maternelles, nous prenons en charge ce qui est en train d'être fait sur le plan international pour que, une fois que nous enseignons dans nos, dans nos langues maternelles, il faut que au sortir sur le plan international aussi que le cadre que nous allons former soit compétitif sur le plan international. Alors, M. Garbana Hanchi, euh, du début de l'introduction de ces langues nationales dans le système éducatif à aujourd'hui, euh, les résultats sont nettement satisfaisants euh, selon M. Monkela. Est-ce qu'il existe des, statistiques par rapport aux résultats donnés par les, enfants qui reçoivent ce, type d'enseignement Merci. Donc, pour ce qui est des statistiques, madame, il y en a. Parce qu'en dehors, de notre, en dehors de notre direction, il faut dire que, comme elle l'a dit, il y a eu beaucoup, beaucoup d'appui. il y a eu beaucoup de projets qui ont injecté de l'argent dans le cadre de l'enseignement en langue nationale. Je prends deux expériences. Il y a l'expérience de Soteba qui a été financée par le GIZ. Il y a l'expérience de DPEP, e c'est un projet que, que, le ministère a mis en œuvre. Tout ça, il venait en appui. Et tous ces projets avant la fermeture, effectivement, ils font des évaluations. Donc, il y a des statistiques qui sont là. Il y a des études qui ont été faites sur l'enseignement bilingue. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure chez nous, la toute dernière, l'expérience là que nous sommes en train de conduire, avant de la généraliser, il faut qu'on qu'on voit est-ce que ça peut aller, est-ce que c'est probant. Donc, effectivement, nous avons des statistiques par rapport à ça. Donc, euh, si vous voulez, un beau matin, si vous pouvez vous rendre à la direction, les, toutes les évaluations là, nous avons une, une division d'évaluation des acquis scolaires. Elle avait fait deux études, la par rapport à l'enseignement bilingue. Bref, c'est pour vous dire que vraiment, il y a des statistiques qui sont là, qui sont parlantes par rapport à l'enseignement bilingue. Nous en avons. Même, si vous l'avez eu à un peu expliquer au tout début, quelle, est la, vraie importance de l'introduction du système du bilinguisme dans le système éducatif nigérien euh, La vraie, premièrement, toujours nous, décrions la baisse des nouveaux de nos enseignants. Et vous avez pour preuve, avant tout on a évalué les enseignants-là. Il y a la baisse du niveau de nos enseignants, la baisse du niveau des élèves, et on ne peut pas éternellement continuer à décrire cela sans pour autant faire quelque chose. Donc ça, c'est un premier aspect. Le deuxième aspect, c'est le contexte même qui nous l'impose. Aujourd'hui, le monde évolue. Il vous a rappelé la, conférence, c'est la conférence des ministres en charge euh, des de questions de l'éducation. Et effectivement, Aujourd'hui, si nous avons ce programme-là, Élan, école, et langue, école et langue africaine nationale en Afrique, c'est dans ce sens-là, c'est une philosophie sous-régionale. C'est une philosophie sous-régionale. Comment rehausser le niveau de nos enfants dans le cadre aujourd'hui de l'éducation Pour ce faire, on ne peut le faire que lorsqu'on revienne les enseigner dans la langue nationale. Et je vous prends, je vous renvoie à l'œuvre de Abdul Moumoun, Abdelmoumouni, depuis les années 60, il a écrit l'éducation en Afrique. Et quand vous lisez cette œuvre d'Abdelmoumouni, déjà en 60, il dit que non, si on veut pousser vers le développement, il faut enseigner en langue nationale. Il faut enseigner nos enfants dans les différentes langues nationales de nos pays. Pas seulement le Niger seulement, parce qu'il avait une vision panafricaine, euh, une, vision holistique. Il a fait une recommandation. Et voilà, c'est 60 ans après qu'on revienne pour donner raison mhm. aux feu professeurs. Et maintenant, bon, il n'est jamais, comme on le dit, trop tard pour mieux faire. Monsieur Munkel Kobo, euh, l'enseignement des langues nationales euh, au primaire, ne pensez-vous pas euh, qu'il y aurait un impact sur le niveau de l'enfant, puisque au secondaire, c'est en français que les cours seront dispensés Nous avons pris assez de, de dispositions pour que les apprentissages soient conduits normalement. Nous avons dit qu'avec l'introduction des langues nationales dès les premiers apprentissages, ça permet à l'enfant de comprendre ce qu'on veut lui enseigner. D'abord, il aura la maîtrise de la langue. Il aura la maîtrise de la comptabilité telle que le calcul. Il aura la maîtrise de l'expression orale. Et nous avons dit que le bilinguisme n'a pas totalement abandonné le français qui est notre langue officielle. En même temps que nous enseignons dans les langues maternelles ou premières de l'apprenant, nous, nous, faisons des apprentissages en français. Et nous avons dit qu'il eh, il y aura une parité en, quand on va arriver au CE2. Et CE2, donc, il y aura 50% du régime pédagogique, c'est-à-dire la masse horaire, en français, et il y aura 50% du régime pédagogique en, en, en, langue maternelle. Et en ce moment, ils vont chevaucher ensemble jusqu'à arriver au CM2 où l'enfant va apprendre dans sa langue et il va apprendre en français. Et les anciennes écoles expérimentales nous ont montré que les enfants issus de ce système ont, la maîtrise parfaite de la langue en français comme en langue nationale. Euh, donc, il n'y aura pas d'impact négatif avec l'introduction des langues nationales euh, dans le processus d'enseignement-apprentissage. Au contraire, ça va améliorer le processus d'enseignement-apprentissage, ça va améliorer même la capacité de perception dans les apprentissages. Nous sommes euh, au terme, presque au terme de ce forum, quel est votre euh, mot de fin Doit-on pérenniser donc le bilinguisme euh, au Niger dans les écoles C'est notre souhait le plus cher. Et c'est pour cela que nous sommes en train d'avancer à pas de tortue. Nous expérimentons de la première année pour aller jusqu'au CM2 et pour voir est-ce que avec l'introduction des langues nationales, on peut eh, essayer de briser cette eh, descente en enfer de notre système éducatif. Mm-hmm. Une fois qu'elle est bien conduite, nous pensons que nous sommes en train de faire aller dans ce sens. Nous allons atteindre maintenant à, eh, l'amélioration de la qualité des apprentissages avec l'introduction des langues Merci à vous et Monsieur Garbanahanchi, quel est euh, votre mot Comme elle l'a dit, dans tous les cas, c'est même pas moi, c'est même pas qu'on doit, c'est-à-dire on a le devoir, on a le devoir, on a commencé et avec les prémices, les premières prémices quand même que nous voyons, en tout cas, on peut dire que euh, l'avenir sera quand même avec peu de chances meilleures pour les enfants de ce pays-là, si toutefois, effectivement, nous, nous gagnons à généraliser cet enseignement au niveau de tout, euh, de, tout le système. Mhm. Parce que ce n'est pas, comme elle l'a dit, ce n'est pas ce que ça va s'arrêter au primaire, ça va aller jusqu'au secondaire. 85%, cest des, activités que la bande du CIG aura à faire sera en français, mais à côté de ces 85% du temps, il y a 15% qui seront consacrés aussi à la langue. Mhm. C'est-à-dire que la langue va le suivre du primaire jusqu'au secondaire. Donc euh, c'est un pari que nous nous sommes donnés et plaise à Dieu, avec la détermination de l'État, on va, on va y arriver, on va gagner. Merci. Merci, chers invités, d'être venus. Merci aussi à nos auditeurs et auditrices. C'est ici que se referme le forum de ce soir. Nous avons débattu autour de la question du bilinguisme, l'introduction des langues nationales dans les écoles. Nous étions avec M. Munké Lakobo, conseiller pédagogique à la direction du curriculum de la recherche et de l'équipement des langues nationales au ministère de l'enseignement primaire, de l'alphabétisation, de la promotion des langues nationales et de l'éducation civique. Nous étions également avec M. Garba Nahanti, socioplanificateur à la même direction et au même ministère. Donc euh, rendez-vous demain à la même heure pour un autre euh, sujet.